nuyoo population Djidah Thiaroye Kaw euh, ñu ngi euh, sant monsieur le maire docteur Cheikh les di sant euh, autorité yi monsieur Mayor of Digja Jericho, Mr. Tala Gadianga, the Mayor of Malika, Mr. Abdul, Mr. Abdullah, uh, yeah, okay. Uh, I'll just finish the yeah. Mr. Abdul Diop, the Mayor of Gino Ride from IEF, and Mr. Prefect Deng, BBW Senegal also, family, boys and girls, parents, friends of the district here in Jiritariko, welcome. Ok, donc euh, elle a salué toutes les autorités ici présentes, euh, commençons par les maires, commençons par nos représentants. It's a great pleasure for me to say a few words on behalf of our president, President Lisa Lin from the TX Foundation, who is leading our delegation here during our visit in Senegal. Uncle. qui est très sensible question relative à l'éducation au niveau de la pratique nous a instruit de nouer des partenariats avec l'ensemble des organisations de manière à pouvoir le maximum d'infrastructures possibles. Et la cérémonie que nous suivons aujourd'hui nous avons noué un partenariat avec la fondation appelée FPF di bakti contrepartie. Et pour quand Damel Ngari, les conditions de vie. Et c'est pour moi, encore une fois, l'occasion de remercier la Marine pour son engagement, pour évidemment ce qui concerne très sensible à il a Qatar. yëpp benn assemblée nationale bu déggee ñaax nañu jéem a góorgóorlu pour wër ay terrain yoo xamante ni ñu laaj je crois que maire may nañu possibilité boobu ndax li partenaires yi ñëwee également bi ñu demee gis na moom fekkoon na déjà préparé wu na ay mesures bu yàgg ba tax yaakaar nañu ne tey jii terrain bi ñu tabaxee dana wàññi jafe-jafe yi nga xamante ni parents yi ak élèves yi la ñuy jokkoo pour dugal seen élèves yi pour pour seen moyen C'est un jour qui marque. Avec l'appui. Il a bien voulu accompagner le de Tiarek pour le financement de ce grand collège moderne. léegi man man léegi man nga génn. bu baax. toujours pour relever. de l'accès à l'éducation. encore dugal micro bu baax. je dois remercier les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. business. non seen portable yi du génn da ngeen ni ba pare ngeen yàq suñu liggéey quoi sincèrement. je dois remercier les administratifs je dois remercier l'inspecteur de l'académie de Poutine, qui n'a ménagé aucun effort pour son accompagnement. Mais je dois aussi remercier toute la population de Diarra qui attendait ce grand jour, qui se sont mobilisés aujourd'hui pour, permettre sur ce site de Bagdad, nous avoir un collège moderne. Un collège qui sera construit au bénéfice de 6000 élèves de la cour. Évidemment, on nous la première fois que l'inspecteur d'académie a permis. Non, je si vous posez Voilà, la Voilà. la capacité scolaire des communes voilà, ce sera, un collège. Ce sera, ce sera un collège avec 8 classes physiques. 6 000 élèves et ce sera pour au moins une douzaine de classes pédagogiques. Comprenez bien qu'à partir de ce moment, nous avons un grand collège à voilà monsieur le maire en wolof euh, tuuti rek euh, nga tënkal ñu par rapport ak cause première PRB, bi ak tamit euh, lycée bi nga xam ne moom ngeen fas yéene tabax collège waaw fii tey dañoo ànd ak seen i partenaires muy business nous-mêmes, professionnel

collège bu mag a mag lay doon ndax am na huit classes professionnelles ak ñaari bloc pédagogique dina taxe ba six mille élèves yu nekk Djidah Thiaroye Kaw ak commune yi nga xam ne ñoo ko wër man bu ñu jigéen ak di mën a jàngee شاء الله